Dieu a fait que les années, les mois et les jours se succèdent, de même que les nuits. Là, nous sommes au mois de Muharram, qui signifie le janvier du calendrier euh, musulman. Ce mois est très important pour les musulmans, ainsi il est recommandé de Genèse ce jour d'Ashura, vu qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés. Le gens du mois de Tamharit est réparti sur trois étapes.

yu at yëpp yu weesu kon yàlla kon ñu gis ni kon lu am solo la. ci ci communauté bi ñun dañu aadawoo bésu taajaboon bi aussi nous dans notre communauté on a l'habitude de préparer du couscous mais ce n'est pas une obligation l'essentiel c'est de manger ce qu'on a et tu es libre on lance un appel aux musulmans vraiment un peu de se de se conformer à la charia à l'islam de porter tout ce que l'islam le recommande de porter et de laisser tout ce que l'islam ne recommande pas de porter en grosso modo c'est ça